le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est plein l'heure du Forum de la presse, notre rendez-vous du vendredi soir avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. L'actualité de cette semaine qui s'achève s'articule autour des sujets suivants. Sur le plan sécuritaire, l'on note l'attaque par des hommes armés non identifiés visant une unité du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à mission dans le département d'Abala, région de Tilaberi, samedi dernier. Autre sujet relatif à la sécurité, c'est le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEP, qui demande à l'État de déployer des moyens en vue de sécuriser les enseignants dans les zones d'insécurité. Nous allons parler aussi de cette mesure du ministère de l'Intérieur qui fait obligation aux ONG internationales de se faire escorter dans les zones sous état d'urgence. Enfin, nous aborderons dans le forum d'aujourd'hui la reprise de l'établissement du permis biométrique après quelques semaines de suspension. Pour en discuter, nous recevons nos confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Oui, bonsoir. Hussein Issa, journaliste freelance avec nous. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre Memouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara. Présentation Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 18 octobre 2019. Nous débutons ce forum par un sujet relatif à la situation sécuritaire au Niger. Samedi 12 octobre passé, des hommes armés non identifiés ont attaqué une unité du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci à mission dans le département d'Abala, région de Tilaberi. L'attaque s'est produite vers 17 heures après euh, près d'Abaré, village d'Abala, région de Tilaberi village, euh, donc je disais, relevant de la commune rurale de Sanam, département d'Abala, avec un bilan lourd de cinq gendarmes tués et deux véhicules détruits côté Ami. Alors, tout de suite, je commence par euh, vous, Garé Amadou. Comment vous interprétez ces embuscades et attaques qui deviennent de plus en plus fréquentes ces derniers jours mais en fait, euh, en fait les, les, groupes, en, tout cas armés non identifiés, c'est les groupes terroristes, c'est les des groupes terroristes. Hein. Euh, en fait, ils cherchent peut-être à déstabiliser le, les dispositifs sécuritaires, à faire des attaques un peu éparpillées pour un peu mettre en mal le dispositif sécuritaire des pays. Pour ce qui s'est passé au niveau d'Abarey, en réalité, euh, euh, les gendarmes, il faut tirer le chapeau pour les gendarmes. Parce que 60 éléments lourdement armés, je vous dis, ce sont 60 éléments lourdement armés qui ont attaqué les gendarmes, qui étaient venus pour puiser de l'eau au niveau d'un puits, quand les tirs ont commencé. Donc ces gendarmes-là étaient pratiquement submergés. Mais ces 30 gendarmes-là se sont... Et les djihadistes, selon les informations qu'on a reçues, se, cachaient parmi la population pour pouvoir tirer sur les gendarmes. Hmm. C'est-à-dire qu'ils se servaient de la population comme, il Malgré tout, selon les informations que les villageois ont données, beaucoup de terroristes sont morts. C'est-à-dire que pratiquement, les terroristes étaient obligés de fuir avec leurs cadavres. Mais beaucoup de terroristes sont morts. Vous savez, eux, ils s'organisent de sorte que dès que quelqu'un tombe, il est mort, il y a un groupe qui vient qui le prend. Qui le prend. Qui le, jamais les, Parce savent ça ils, savent, ils, savent, ce que ça veut dire. Donc, ils transportent leurs morts et leurs blessés. Et les gens disent que les villageois qui ont visité, ils ont dit qu'il y là où se trouvaient les terroristes, il y a du sang partout. il y a eu beaucoup de morts. Et donc, j'ai dit, moi, je tire mon chapeau aux éléments de la gendarmerie qui ont montré leur bravoure. D'abord, qui ont résisté face aux terroristes et qui les ont pratiquement mis en déroute. Parce que le, le bilan pouvait être lourd. 60 éléments terroristes contre 30 gendarmes apparemment superbement bien entraînés. Seulement 5 morts. C'est vrai, 5 morts, c'est vrai. C'est dur en tant que Nigérien, 5 morts. Mais j'ai dit le bilan pouvait être lourd et j'ai dit c'est grâce à la bravoure de ces gendarmes-là qu'on a pu éviter vraiment une catastrophe. Hmm. Alors, euh, Hussein euh, Issa, euh, une autre attaque ah, l'autre semaine, on parlait des attaques de Dogon Kiria, euh, voilà, dans la région de Dosso. Et là, c'est Abala, non loin de Sanam, euh, village, un village d'Abaré, non loin de Sanam. Bon, mais le constat est là. Hein. C'est-à-dire que euh, les attaques deviennent de plus en plus récurrentes dans cette zone, en tout cas dans cette bande nord qui la mm. Et je crois, dans la même semaine, il y a eu au moins deux attaques euh, dans la région vers, euh, comment veux dire, euh, Inatesla. Mm. Il y a eu des attaques où des éléments terroristes ont été mis en déroute. Mm. Et ce que vient de dire Garé, moi également, je tire mon chapeau aux gendarmes parce que ils ont fait preuve de bravoure. Ils ont pu mettre en déroute, mm. malgré le surnombre de ces terroristes-là qui sont venus attaquer. Et ce qu'il faut déployer quelque part, c'est un peu, je vais dire, la complicité des populations locales. J'ai comme l'impression que dans ces zones-là, les populations locales ne collaborent pas tellement avec euh, les éléments de force de défense et de sécurité. Et c'est ça Pourquoi dites-vous cela Non, parce que tout simplement, ces gens, quand ils viennent, je me dis quelque part, ils ont des planques avant de passer à l'action. Ils ont des planques avant de passer à l'action. C'est quand ils veulent passer à l'action, ils ont déjà peut-être les armes, ils ont les moyens roulants. À ce moment, ils sortent et ils tentent des embuscades. Et c'est un peu ça qui c'est ce qui s'est passé au niveau des Abari. Et je pense que euh, les populations ont tout intérêt à collaborer avec euh, les éléments de force de défense et de sécurité au regard de ce qui est en train de se passer dans cette zone. C'est en train de devenir une zone invivable. Il y a pratiquement, je ne connais pas le nombre d'écoles qui ont fermé leurs portes. Ça, qui va en partie, c'est bien les populations. Mm. Si ces écoles ont fermé leurs portes, c'est parce que tout simplement. En cas de la région, on parle d'une centaine d'écoles fermées. écoles qui ont fermé, c'est les enfants de ces populations-là qui sont privés d'école. Par conséquent, moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à créer les conditions nécessaires pour que les éléments de force de défense et de sécurité qui sont dans la zone, dès qu'ils ont un signalement de mouvement suspect, qu'ils puissent transmettre l'information afin que les dispositions soient prises pour mettre en déroute ou du moins pour massacrer les gens, les gens là qui viennent, les touristes qui viennent, et, comment vais dire, s'aimer, le désordre s'aimer, comment vais dire, la désolation dans la région. toujours par rapport à, cette situation sécuritaire, signalant que dans un communiqué publié lundi dernier, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINACEB, exhorte le gouvernement nigérien à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les enseignants se trouvant dans les zones d'insécurité. Quel commentaire vous inspire ce communiqué du SINACEB je pense que c'est tout à fait légitime que le syndicat demande à ce que les autorités puissent. Parce que vous savez, ces, touristes, souvent, tous les actes qu'ils sont en train d'opposer, c'est pour déstabiliser cette zone-là. Et pour déstabiliser la zone, bien évidemment, c'est de, pousser les populations à se déplacer, à quitter leur localité pour aller chercher refuge ailleurs. Et quand ils s'en vont, c'est qu'ils s'en vont avec, euh, comment vais-je dire, avec leurs enfants. Maintenant, les enseignants aussi sont en insécurité et je fais le parallèle avec ce qui se passe dans euh, la partie nord-est du Burkina Faso, où les enseignants sont devenus un temps la, cible des, terroristes. Parce que ça procède d'une opération, comme on veut dire, une opération, et une opération bien planifiée. Les populations sont sur place, les écoles peuvent fonctionner. Les populations se déplacent, les écoles ferment. Mais les enseignants qui sont sur place, parce que les enseignants ne peuvent pas rester tant qu'il n'y a pas d'élèves. Mm. Par conséquent, moi, je pense que ce que le SINASEB a demandé, c'est tout à fait normal pour un syndicat de demander. Et même au Burkina, le cas du Burkina que j'ai pris, les syndicats là-bas se sont mobilisés pour demander à ce que les dispositions soient prises pour pouvoir sécuriser les écoles. Mm. Mais malheureusement, quand il n'y a plus de population, comme je l'ai dit, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'écoles. Du coup, il faut une sécurisation totale, générale. Générale, il faut que dans la zone, dans toute la bande nord de la l'Algérie, il faut qu'on renforce le dispositif militaire. n'est pas toujours évident de pouvoir placer des militaires devant toutes les écoles, parce que souvent c'est des écoles éloignées. Mais qu'on crée au moins les conditions pour que les écoles qui sont encore viables, pour que ces écoles puissent continuer à fonctionner. Gare Amadou, euh, quel commentaire vous faites du communiqué du SINASEB qui, en tout cas au vu de la situation sécuritaire, des menaces qui planent sur beaucoup d'enseignants, euh, demande au, gouvernement de prendre des dispositions pour sécuriser leurs, collègues, leurs camarades oui, le, le, communiqué du SINASEB est, un, communiqué bien à propos parce que, euh, vous savez, moi je tire mon chapeau aux enseignants, surtout les enseignants contractuels. Vous savez, à l'heure où je parle là, il y a les enseignants contractuels qui n'ont pas eu leur pécule. Les enseignants contractuels souffrent dans ce pays-là. Malgré tout le bruit que le ministre de l'Éducation nationale fait, je vous dis que les enseignants contractuels souffrent énormément. Et encore, c'est eux qu'on envoie de la bourse dans des zones dangereuses. Imaginez aujourd'hui un enseignant contractuel à qui on va dire de partir de la région d'Abala à Abaré, l'école d'Abaré, parce qu'il y a une école. Là où il y a eu l'attaque. Bon, vous voyez Et c'est des gens d'abord qu'on ne paye pas à temps on ne paye pas tant. Hein. C'est-à-dire que, je vous dis actuellement, les contractuels n'ont pas eu leur pécule. Mais est-ce que ça, c'est sérieux, ça, dans un pays Est-ce que c'est normal Et ce sont ces gens-là qu'on envoie dans les zones euh, d'insécurité. J'ai dit, il faut les mettre dans des conditions où ils peuvent où ils peuvent, ils peuvent travailler, c'est-à-dire assurer au moins la sécurité. Le SINASAP n'a pas demandé grand-chose. Le SINASAP a même fait l'impasse sur, le salaire qui n'est pas payé. Mm. Il dit, sécurisez-les au moins. Quelle forme cette sécurisation peut justement prendre voilà, c'est pas qu'on va dire que dans chaque classe on va mettre un militaire, là où il y a un, enseignant même. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire créer des conditions pour que il y ait une concentration de forces militaires dans la région de Tilaberi. Parce que comme vous le voyez, la région de Tilaberi et ce qui est encore chose plus bizarre, la région de Dosso encore commence à devenir les trucs vers d'outils, vers. Vous voyez C'est-à-dire que. Parce que de, tous les côtés, on a des, frontières qui. Des, pays, en tout cas, où, ces, bandits peuvent s'infiltrer. qu'il faut, il faut. Côté Nigeria, euh, vers Dosso. Vous savez ce que j'avais dit mm. euh, J'avais dit une fois sur un plateau de télé, j'ai dit, vous savez, je ne comprends pas pourquoi le Niger envoie des éléments pour faire le maintien de la paix dans certains pays. Aujourd'hui, là. Et la semaine dernière aussi, on en ah, a, il y, en a qui ont soulevé cette question. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de partir faire le maintien de la paix quelque part. Non, non, non. Ceux qui sont là-bas, là, en Côte d'Ivoire, au Congo, là, venez ici faire la guerre. Ce n'est pas, vous n'êtes pas dans des conditions où vous allez partir faire le maintien de la paix là-bas, alors que dans votre pays, les gens sont en train d'attaquer, en train de tuer vos frères. Revenez. J'ai dit, il faut que l'état-major arrête d'envoyer des, contingents. Il faut qu'on explique aux Nations Unies que, hey, nous là, on a assez de problèmes. On ne peut pas envoyer des éléments pour partir faire le maintien de la paix. Mais il y a la collaboration internationale. Euh, il faut aider les autres pour espérer être aidés. C'est quand tu auras rassasié que tu donnes le reste à quelqu'un. Tu sais, ça, c'est une règle élémentaire, non hmm. N'est-ce pas C'est quand tu rassasais que tu donnes le reste à quelqu'un. Hmm. Mais on a des problèmes ici. On a trop de problèmes avec les terroristes. Comment on va envoyer des éléments euh, en Centrafrique au Mais, mais ça n'a pas. Revenez, j'ai dit, il faut les ramener. Parce que ça, vous savez, c'est devenu une mafia. Oui, c'est devenu une mafia. Et ce sont les anciens qui s'arrangent toujours pour partir dans les missions des Nations Unies, pendant que les jeunes, eux, ils sont là. J'ai dit, il faut les ramener, il ne faut plus partir il faut leur dire que ceux qui sont passés' partis au métier. c'est une proposition. c'est De, tu sais, c'est sérieux. Mhm. Ça commence à faire, à bien faire, quoi. Ceux qui sont au niveau des opérations de maintien de la paix, là, qu'on les ramène et qu'on les amène au front. Hussein euh, Issa, vous, vous êtes de, de, de, de l'avis de Gare bon, Je pense que quand un pays est exposé à une situation d'insécurité qui tend à se généraliser, la concentration doit se faire d'abord sur le pays. Parce que tout simplement, aujourd'hui, quand je vois un peu les éléments qu'on envoie souvent sur le terrain, c'est souvent des éléments qui sont sortis fraîchement sans expérience de terrain. Le plus souvent, à peine la personne sortie, on l'amène dans des zones d'insécurité alors que il aurait fallu envoyer les expérimentés qui connaissent bien les terrains et tout et tout. Ah, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut vraiment faire la concentration Aujourd'hui, on a la zone de Tilavieille qui est devenue une zone pratiquement toute la bande et même le, le, le, le, le long du fleuve, les, des zones comme Terra qui n'étaient pas au départ concernées, des zones comme Saï des zones comme Tordi, qui n'étaient pas au départ concernées, qui sont aujourd'hui confrontées à cette situation. Et nous avons la région de Maradi aujourd'hui où l'insécurité est en train de prendre aussi des proportions inquiétantes. Et la région de Dosso aussi est affectée. Parce que c'est pas la première fois, c'est pas seulement l'attaque de Dogan Kiria. Bien avant l'attaque de Dogan Kiria, je crois qu'il y a eu une autre attaque. Diva, c'est déjà une zone karma et plongé, ça fait pratiquement quatre ans dans cette situation d'insécurité. Par conséquent, moi, j'ai dit, il faut créer les conditions pour que de, de, forte militarisation de toutes ces zones-là, pour pouvoir dissuader, en tout cas, et pouvoir réagir en cas d'attaque rapidement. Bien. Euh, deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Euh, nous apprenons que dans les régions justement d'Agadez, de Tawa et d'Ifa, et euh, en tout cas les zones qui sont sous état d'urgence, toutes les missions humanitaires de terrain sont bloquées du fait de l'application d'une directive du chef d'état-major des armées en application d'une instruction du Conseil national de sécurité qui demande d'interdire les missions humanitaires sans escorte de forces de défense et de sécurité. Euh, ça quelle lecture peut-on faire d'une telle décision oh, mais Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Et les, organismes humanitaires, les humanitaires qui sont là, ils sont là pour apporter assistance aux populations des zones un peu, comment dirais-je, euh, des, des zones de l'insécurité et les populations vulnérables, tout ça. Maintenant, on a vu un peu le mode opératoire souvent les djihadistes, les touristes profitent de ces missions-là, attaquent et emportent les véhicules, mais non pas seulement les véhicules, mais également des, des, produits, et tout et tout. Mm. Et moi, je pense que c'est tout à fait judicieux que quand les missions quittent, les missions humanitaires, il faut qu'elles soient accompagnées. Parce que les organismes humanitaires ont quand même un peu de ressources pour pouvoir mettre à la disposition des éléments qui vont les accompagner. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Mais s'ils vont comme ça, sans escroc, moi je pense que c'est à leur risque et péril. Hmm. On se rappelle, quand il y avait, comment dire, euh, il y avait la rébellion MNJ, et, comment ça s'appelle, dans la région d'Agadez, hmm. on avait institué euh, le, truc de convoi. Hmm. C'est-à-dire les bus, quand ils viennent, c'est des bus qui sont convoyés par des, dispositifs militaires jusqu'à Agadez. Et quand ils reviennent aussi, c'est la même chose. Je pense que c'est tout à fait normal, cette euh, initiative-là. C'est une initiative qui va au moins se permettre de sécuriser ces, missions humanitaires-là qui sont dans notre pays. Gary Amadou, quel est votre point de vue à ce sujet euh, Vous savez, cette, cette, affaire, en fait, cette, euh, directive du ministère de, euh, la, Défense, je crois, a, une histoire. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, le vol rocambolesque de deux véhicules, je crois c'est du CICR, mm. dans la région de, dans la zone de Tongo Tongo. Et vous savez, ces véhicules ont menti aux autorités administratives. Elles ont dit qu'elles vont dans un camp de réfugiés. Elles ont bifurqué pour partir, pratiquement offrir les deux véhicules aux terroristes parce que c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis. Les gens sont, on dirait que c'était un rendez-vous. Ils sont partis, les gens sont venus, ils ont pris les véhicules. Hop ils sont revenus, quelqu'un les a ramenés. Sains et sauf. comme si le truc était préparé. Et donc, je crois que les autorités militaires ont senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre des mesures. Cette mesure-là, vise à surveiller, en tout cas, à accompagner les, véhicules des humanitaires pour que il n'y ait pas, qu'on ne fasse pas un enfant dans le dos de l'État. Est-ce que vous comprenez parce, que vous, vous penserez non, que... cette affaire du vol... Non, mais cette affaire du, des deux véhicules... Mais ce n'est pas la première fois que des véhicules sont, sont, volés, sont, en tout cas sont pris. Là, là, ça ressemble à un scénario de cinéma et minutieusement préparé. C'est-à-dire que tout se tient. Est-ce que vous comprenez D'abord, on ment aux autorités, on dit aux autorités, oui, nous allons au camp de réfugiés. Après, on va pas au camp de réfugiés, on va à Tongo Tongo qui n'est pas n'importe mm. n'importe quel coin. Mm. Quand même, Tongo Tongo, c'est 4 militaires américains tués, 4 Nigériens tués. Mm. Tongo Tongo, c'est 30, 30, combien d'éléments de l'armée main nigérienne tués encore. Beaucoup d'attaques à Tongo Tongo. Et c'est là-bas que les ONG partent pratiquement, cette ONG-là est partie. Moi, je considère qu'elle est partie offrir ces véhicules ah, Vous pensez que donc c'est pour éviter ces genres de... Non, c'est pour éviter. non, c'est pour, éviter. Vraiment. Que l'État prend ces genres de dispositions. Mais c'est sûr. Hum. C'est-à-dire que pour que les ONG ne puissent pas ça donnait. Je n'ai pas, mais il y a un malaise quand même au niveau de l'armée de constater ce genre de situation. Alors, quelles conséquences, quelles pourraient être les conséquences sur le plan euh, de l'assistance humanitaire euh, si, si jamais, est-ce que c'est toutes les, ces ONG humanitaires qui ont, euh, on va dire, les moyens de pouvoir à chaque fois se faire escorter Mais écoutez, Quelles pourraient être les conséquences, les sur, ah, de, le plan assistance Vous savez, c'est d'abord leur intérêt hum. d'être sécurisé hum si vraiment ils sont sérieux avec eux-mêmes. J'ai dit, moi je ne peux pas aller dans une zone pour faire des actions, une zone d'insécurité, sans demander une escorte. C'est le truc élémentaire qu'on vous apprend. Sauf que certains, certains pensent que le fait même de, le fait de se faire accompagner aussi d'escorte militaire, c'est s'exposer ou c'est. Non, c'est-à-dire que ça commence à. Vous savez, euh, on met notre pays dans des situations difficiles, n'est-ce pas hum à Difa, il y a eu des attaques où on a, on a tué les, chauffeurs de véhicules des, trucs, des, organisations humanitaires. On a tué. Vous comprenez Et donc, c'est pour leur propre sécurité. Deuxième chose, si vous, voulez, vous ne voulez pas qu'on vous escorte, vous pensez que... Vous savez, les organisations humanitaires qui n'attaquent pas, elles, sont rares. Hein elles attaquent, ils attaquent tout le monde. Oui. Donc, je pense qu'il est, est de votre intérêt de chercher à être escorté. Parce que d'abord, c'est ça qui rassure l'État. Et c'est ça qui fait en sorte que vos opérations sont plus crédibles. Je pense que ne pas vouloir être escorté, pour moi déjà, est un acte extrêmement suspect dans une zone d'insécurité. Non, je le dis. Hmm. C'est extrêmement suspect à la part d'une ONG de dire que non, non, si les militaires viennent, ils seront plus en danger. Parce qu'eux, ils se considèrent donc, si on voit, si on fait la translation, ils se considèrent comme un peu les amis des terroristes, donc les terroristes ne peuvent pas les attaquer s'ils sont seuls. C'est ça qu'ils veulent dire mm, mm. S'ils sont seuls, les terroristes, les eux, les terroristes les ont identifiés comme des amis, c'est ça Non. Il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que les gens, euh, vous faites escorter, on ne va pas dire que le Niger ne vous a pas protégé, vous faites escorter. Si vous ne pouvez pas, et puis ce n'est pas une question de moyens, vous avez les moyens. Quand vous voyez les 4x4 rutilantes là qu'ils utilisent, vous savez qu'ils ont les moyens, ce n'est pas une question, c'est combien les frais de, pour, une escorte. Non, ce n'est pas grand chose. Ce que dans, leur, dans le cadre de leur mission, maintenant, il faut qu'ils prévoient, au niveau de leur structure centrale qui se trouve en Europe ou quelque part, mm. qu'ils prévoient des fonds pour l'escorte pour chaque mission, pour chaque opération. Nissa, oui. Juste rajouter quelque chose, c'est mm. que souvent, pourquoi c'est important de se faire escorter dans ce contexte d'insécurité C'est que imaginez que ce soit des blancs qui sont là au niveau des ONG, il y a cette situation, cette question d'enlèvement. Oui. Je vais poser un autre problème au pays parce que tout simplement, quand ils vont prendre, c'est pour demander comment les rançons. voilà. Alors que s'il y a l'escroc, au moins c'est du siasif. parce que c'est un paramètre dont il faut qu'il faut prendre en compte. Par conséquent, moi, je pense que c'est très important. L'escroc doit être institué jusqu'à ce que la paix revienne quel que soit le temps que ça va prendre, il faut que cette politiques-là soient mises en œuvre parce qu'on ne peut pas laisser les gens aller sur le terrain, exposer et puis exposer un peu le pays, comment dirais-je, euh, aux critiques de la communauté internationale. On a vu quand les deux Français ont été enlevés au Bénin, le Bénin était devenu subitement le pays avait tous les projecteurs sur le Bénin parce que tout simplement on considère que c'est devenu un, pays insécurité et tout. C'est pour ça je pense qu'ils ont les moyens pour pouvoir prendre des escortes. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, quel autre, à, quelles conséquences on peut s'attendre, en tout cas, si jamais ce genre de, mesures euh, s'installent Conséquences, tu sur quel plan sur, sur, le plan de, l'assistance humanitaire en grand nombre sur le terrain, l'affluence des, des humanitaires sur le terrain. Oui, mais les conséquences, moi je dis, c'est des conséquences positives parce que les ONG peuvent travailler sur le terrain. À partir du moment où il y a des escrocs, ils peuvent en toute tranquillité, parce qu'il y a des, un dispositif qui est là pour les sécuriser. Quand ils vont dans un centre donné, il y a un dispositif qui est là pour les sécuriser par rapport aux interventions qu'ils sont allés faire sur le terrain. Et le dispositif est là pour les raccompagner jusque dans la zone, dans les zones de sécurité. Moi, je dis, c'est déjà quelque chose de positif. Mais aller seul sur le terrain, ça, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, là où les gens sont hypocrites, c'est-à-dire que les ONG, quand elles sont au niveau des camps de réfugiés, elles exigent que des militaires viennent pour protéger les camps de réfugiés. Mais pour mener les opérations en brousse, elles ne veulent pas que les militaires viennent. Vous trouvez ça normal, ça Vous trouvez normal qu'une ONG, mène dans une, dans une zone comme Tongo Tongo, qu'on dise qu'une ONG est partie avec deux véhicules, les chauffeurs sont revenus, parce que moi, cette affaire-là, elle mm. me restait ici, ah, entre la gorge. Ah, je n'ai pas compris. Mm. Oh c'était un rendez-vous pratiquement fixé. On est venu, on a pris, pour, pour, vous prenez le véhicule, ok, d'accord, donne les clés, donc euh, à la prochaine, et puis oh, les autres là, on dit, on appelle quelqu'un euh, qui est un chauffeur de son époux, je ne sais pas quoi là, on dit, bien prendre les chauffeurs là, tu les ramènes à Niamey. <laughs> C'est comme ça. Vous trouvez que c'est normal Non. J'ai dit, soyez euh, soyons sérieux, si vous exigez la sécurité au niveau des camps de réfugiés, eh bien c'est normal que l'État dise que euh, c'est pour ne pas mettre votre vie en danger et pour ne pas gâter l'image du pays. Parce que si les attaques continuent contre les ONG, le Niger va devenir un pays pratiquement infréquentable, même pour les ONG. parce qu'on se rappelle que dans certaines situation même, en tout cas, euh, les ONG arrêtent même d'intervenir de, dans certaines zones, sûr, notamment dans la région de Tilaberi. il y a Quand, les locaux de, je sais pas, ces médecins sans frontières, ont, été brûlés, mm. elle avait suspendu ses activités au niveau de certaines localités. Mm. Vous savez, donc c'est normal. C'est-à-dire que c'est des situations e-, extrêmement dangereuses, aussi bien pour l'ONG. Donc quand l'état-major dit que non, désormais, quand vous allez en brousse, dans certaines zones, il faut que l'escorte vous accompagne. Sinon, vous ne bougez pas. C'est très simple. Parce que vous ne bougez pas parce qu'il ne faut pas que vous partez là-bas. Euh, les véhicules qu'on va enlever là, on va tuer nos frères avec. Les véhicules de Médecins Sans Frontières qui ont été enlevés. Les terroristes reviennent avec les véhicules. L'attaque au niveau du, de, de, calais mm. c'est un véhicule enlevé. Et donc, nous, on ne peut pas accepter que vous amenez vos véhicules en brousse pour qu'on vous les enlève, pour qu'on vienne encore nous tuer avec. Donc, c'est pour cela que j'ai dit si, vous, n'avez pas d'escorte, vous ne partez pas. Hmm. Bien. Alors, euh, euh, parlons de, de, de, de, ce dernier sujet. Enfin, nous abordons le dernier point. Euh, il s'agit de la reprise de l'établissement du permis biométrique le 23 septembre passé. Les activités de traitement et d'édition du permis se poursuivent au Centre national de traitement et d'édition du permis de conduire biométrique à Niamey, avec cette fois-ci 10 500 francs de frais demandés au lieu des 12 000 francs initialement. Garé Amadou, quelle appréciation faites-vous de la reprise et de la poursuite de ce processus de l'établissement de permis de biométriques qui a fait couler il y a quelques mois, on se rappelle, beaucoup d'encre et de salive Vous savez, moi j'ai été beaucoup surpris par la reprise de, ce permis biométrique. J'étais d'autant plus surpris que je sais que l'Alfia avait fait quand même des, avait des investigations et elle avait eu des, elle avait en tout cas publié des conclusions selon lesquelles les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Et donc, brusquement, on dit non, non, on reprend. Hier, moi, j'ai eu la chance d'être parmi les journalistes de la presse écrite qui ont visité. Parce que cette, lundi, euh, il y avait eu cette, euh, cette porte ouverte. Voilà. Euh, Donc, hier, moi, j'ai eu l'opportunité de faire cette visite guidée et il y a une conférence de presse où tous les sujets n'étaient, avait aucun sujet tabou. Mm. Et moi, j'ai posé la question. D'abord sur le prix. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il que on était à 19 200 et on est revenu à 10 500 il nous a expliqué de façon claire et nette que le prix, lui, qu'il voulait fixer, c'était 9500. Et pourquoi ils ont pris 9500 C'est ils ont étudié le paysage, en tout cas la, structure sociale du Niger, c'est un pays très pauvre, et que quelqu'un qui a déjà un permis rouge ne peut pas encore payer un timbre. Donc ils ont amené ça à 9500. Parce que selon les explications qu'on a données, c'est la loi des finances, blablabla, c'est pourquoi 19200. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le permis catégorie A fait 18500 500 déjà. 18 500 en Côte d'Ivoire. Mais nous, on nous a amené ça à 19 200. Bon, maintenant, ils se sont arrangés avec l'État. On a trouvé un accord 10 500. Mm. Ça va. Deuxième chose, le, le, directeur de le Printing dit que la maison dans laquelle se trouve Aaron Printing, eux, ils ne savaient pas que ça appartenait au fils du ministre. Il, non, il a dit ça de façon très claire. Il dit, il ne le savaient pas. Il a, dit, il a même dit, si les journalistes peuvent trouver une autre maison, en tout cas qui peut être praticable, eux, ils prennent ils ont, en tout cas, la maison, elle est, en tout cas, elle est impeccable pour eux. Vraiment, elle leur permet de faire. Ça veut dire que la société n'a pas de siège, n'a pas euh, de, En tout cas, c'est là-bas, c'est là-bas le siège de Harun Printing. En tout cas, c'est là-bas qu'ils. Donc, et ils nous ont expliqué que eux, le fait qu'on ait amené ça à 19 200, ça leur a fait beaucoup mal. Ça a fait du mal à la société. Hmm. Et ça a terni l'image de la société au niveau de. Alors que c'est pas eux. Eux, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont voulu. C'est 9500 qu'ils voulaient faire. 9500 maintenant, moi je lui ai posé la question aussi, la question qui fâche. Parce qu'il dit que non, toute la procédure, parce que je lui ai dit, mais est-ce que toute la procédure a été faite selon les règles-là Parce que il dit non, toutes les vérifications étaient faites. Il y a une structure, je crois, de vérification au niveau de la présidence, au niveau de la primature, qui a vérifié que tout est normal. Et c'est même pour ça qu'on a repris. Je lui ai dit, mais monsieur, mais c'est bizarre ce que vous dites. Parce que moi, la Halcia a fait une investigation où il a dit qu'il y a des problèmes. Et quand vous avez repris, elle a ressorti un autre communiqué pour rappeler qu'il y a des problèmes. Et vous, vous venez me dire qu'il n'y a pas de problème. Il dit que lui, il se tient à la disposition de la justice au cas où même où. Il y a des questions. Voilà, il dit que non, non, lui, il n'a rien à cacher. Il dit que, mais en tout cas, lui, L'autorité qui a donné l'autorisation, c'est l'autorité qui l'a dit de fonctionner et il a ouvert. Parce que les gens, les gens se posent aussi des questions par rapport au processus de. de je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais le processus. Du marché. Oui, je lui ai dit que le processus me paraît un peu obscur. Est-ce qu'il peut nous expliquer C'est ça, il a dit, il a dit toutes les étapes de la DAO jusqu'à ce que le marché soit accepté. Il dit que tout a été fait dans les règles de l'art. J'ai dit, mais pourtant, la Halcia a mené, elle a dit ça, ça, ça. Il dit, il se tient à la disposition de la justice. Mhm. Bref. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, il y a du matériel de haute définition et selon ce que j'ai compris, le permis quand même qu'ils sont en train de faire est un permis de haute qualité. C'est-à-dire même s'il tombe dans l'eau, il ne se gâte pas. Hmm. Contrairement aux autres permis. Hmm. Et en plus, ce que ce permis biométrique permet aussi de faire des opérations bancaires. Vous savez, au niveau des banques maintenant, on a interdit de faire, en tout cas, de, faire des retraits avec le permis. Maintenant, avec le permis biométrique, c'est même possible. Bon, mais il reste qu'il y a des zones d'ombre et c'est toujours, ça reste toujours les 10 ans, ça va expirer au bout de 12 ils ont dit que c'est 10 ans. Ils ont dit, bon, les, raisons m'ont paru un peu tiré par le cheveu. Il dit que non, 10 ans parce qu'au bout de 10 ans, l'homme change, il peut perdre la, il peut, euh, l'abus peut baisser, blabla. J'étais pas très convaincu. Bon, il dit que c'est ça l'argument. <laughs> Bien. Hussein ça est-ce que vous êtes aussi surpris que c'est les travaux de, de, ce permis biométrique reprennent. Je suis vraiment surpris. Malgré le Je suis surpris parce que je pense que c'est à la limite, euh, comment vais-je dire, un mépris vis-à-vis de la Halcia. La Halcia a mené une investigation qui a montré, euh, comment vais-je dire, un certain nombre d'irrégularités. Et, et, et, le Premier ministre a demandé la cessation, en tout cas la, suspension des activités. La Halcia est ressortie avec un communiqué pour insister qu'effectivement, il y a des problèmes. Moi, j'ai dit, à partir du moment où le dossier, la Halcia a fini le travail, la Halcia a dit, il faut arrêter, il n'y a pas de raison. Ça veut dire que c'est une institution qui est juste là. Il y en a qui peuvent au-dessus demander à ce que. J'ai dit, c'est pas normal dans un pays sur Ce C'est pas normal. Cette reprise ne devait pas intervenir tant que les investigations, toutes clairement défini, moi je dis ça ne devait pas normalement. Et aujourd'hui le problème peut-être que c'est déjà fait. Non mais non mais non non non non non jusqu'ici ça dit c'est quelqu'un qui a dû donner des instructions pour qu'il reprenne. Peut-être le ministre du Transport, parce que c'est lui celui, celui qui est incriminé dans, l'affaire, quand, euh, euh, comme avait dit euh, le, patron de, la boîte, dit qu'il n'est pas au courant que la maison appartenait à un proche de, du, ministre des Transports. Mm. Moi, j'ai dit, c'est un peu une façon d'évacuer la question. Mm. comment vous allez prendre un, une maison sans savoir à qui ça appartient D'abord, le permis, c'est une affaire du ministère des Transports. Mm. C'est ça, c'est toutes ces questions-là, c'est toutes ces questions-là qui font douter de ce qu'il a donné comme explication. Mais véritablement, le problème va se poser. Moi, je veux bien, je vais bien qu'on modernise le permis. Mais moi, je dis, c'est pas une priorité. Dans un pays où les gens sont confrontés à des difficultés, c'est pas une On peut l'imposer, on peut lui, lui dire, bon, voilà, celui qui veut. Mais pas amener les gens à vouloir changer forcément eh, le permis parce que ce, et au bout d'un certain délai au bout d'un certain délai il faut reprendre ça n'a aucun sens le permis c'est comme un diplôme c'est dans ça que les gens c'est avec ça que beaucoup mangent dans ce pays pas seulement dans ce pays un peu partout dans le monde c'est les chauffeurs ils mangent avec le permis pourquoi vouloir imposer tous les dix ans pour dire que la vue a baissé ou ceci cela non c'est des arguments ou du moins des explications tirées par les cheveux ça n'a aucun sens. Et ils vont être confrontés à un sérieux problème. Parce que tous les syndicats des transporteurs ont dit non, eux, ils vont pas faire, ils vont pas suivre le jeu, ils vont rester avec l'ancien permis. Moi, j'ai dit, on lui a donné un marché. Il peut venir, mais il faut pas que ça soit obligatoire. Mais déjà, il y a cette mesure qui était sortie avant que ça ne commence qui, qui faisait de ça une obligation. Non, Dans un an, dans un an tout le monde doit changer. Ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Le permis rouge, là. Est-ce que le permis orange, là, est-ce que c'est moi qui l'ai confectionné? C'est pas au niveau du ministère de transport, j'ai passé le code, j'ai passé la conduite. Mais ce même ministère dit que ça ne sera plus valable au bout d'un an. Non, non, le problème c'est seulement dans ce pays qu'on voit ce genre de choses. N'importe qui peut venir s'installer pour vouloir prendre de l'argent avec les citoyens. Ailleurs, ça ne peut pas se passer comme ça. On a vu avec les plaques numérologiques des véhicules. Quelqu'un vient du jour au lendemain, on lui donne dans le cadre d'un contenant, public-privé, on lui donne un marché. Pour changer, on, on, demande aux gens qui ont déjà des véhicules, on te dit d'aller changer la plaque. Et pour changer la plaque, ça va te coûter 50 000, c'est quand même un budget consistant. Et aujourd'hui, je peux comprendre qu'on dise les plaques anciennes, ceux qui ont des plaques, parce qu'on considère que le véhicule a déjà une, une Maintenant, ceux qui achètent les véhicules, les, nouveaux véhicules non immatriculés, à ce moment, eux, ils doivent aller là-bas. Mais ceux qui ont déjà des plaques, moi, je dis, il faut qu'on arrête ça. On est dans un pays pauvre, les gens ont d'autres préoccupations. Maintenant, si le permis passe ou on l'impose, ça veut dire que demain, quelqu'un va avoir l'idée de dire l'acte de naissance de Germain c'est quelqu'un d'autre qui va confectionner ça. On va juste te donner le volet au niveau de la maternité ou quelque chose comme ça, et qu'il faut, il faut faire un acte de naissance, machin sécurisé. Sécurisé par rapport à quoi Par rapport à quoi donc pour vous, aujourd'hui, vous, vous, avez, cette impression que toutes les zones d'ombre qui ont soulevé euh, ce tollé, un tollé général euh, n'ont pas non, les zones, les zones d'ombre clairement... Sont, les, zones d'ombre sont intactes. Sont intactes. Parce que à partir du moment où la, ça n'est pas sorti pour dire que Ok. Vraiment, maintenant, les choses sont dans l'ordre. Moi, je pense que les hommes sont encore là. Maintenant, celui qui a donné des instructions pour que les, activités reprennent, moi, j'ai dit, on ne peut pas, pendant qu'une institution quand même sérieuse qui essaie de faire un travail pour que les ne soit pas grugé, il fait son travail, on met de côté son travail, quelqu'un d'autre décide. Moi, je dis, c'est des choses il faut arrêter. Il y a eu une journée porte ouverte au niveau de, l'institution qui, édite ces pour pouvoir répondre et montrer au, à tout le monde. Ce serait été que, dise que, ok, d'accord, c'est gratuit. Mais ils sont venus se faire de l'argent, du blé. C'est pas gratuitement qu'ils sont en train de le faire. C'est pour prendre de l'argent. Même quand ça arrive à 10 500 et 10 et quelques, c'est de l'argent c'est de l'argent. Il y en a qui n'ont pas 30, 40 000 francs de salaire par mois. Et 10 000, c'est pour les gens qui ont déjà le permis. Pour ceux qui n'ont pas encore le permis, euh, ils vont devoir débourser un peu plus. Un peu plus. C'est ça qui n'est pas normal. Ça veut dire, parce que ça, va enchaîner. Hein. Si le permis passe, quelqu'un va avoir l'idée, un, autre document, il va dire non, non, non l'ancienne formule là, c'est pas bien, il faut mettre ça de côté, je vais vous confectionner. Non, il faut qu'on arrête je veux les réformes, mais il ne faut pas que les réformes soient des réformes contraignantes souvent, surtout en matière de prestation de services que l'État doit normalement faire garé. Euh, voilà. Il y, a, cette question aussi de, on dit que c'est un permis biométrique, ça veut dire que c'est des données personnelles qui vont être collectées, qui vont être archivées euh, au niveau euh, d'une structure privée. en tout cas, cette question aussi, beaucoup de gens s'interrogent sur sur la sécurisation de ces données personnelles. voilà ce qu'ils nous ont expliqué. Ils ont dit qu'au niveau de la société Aaron Printing, il n'y a que deux étrangers, le DG et le technicien qui fait le il dit que la plupart des employés, tous les employés sont des Nigériens d'abord. Ensuite, c'est des cadres du ministère des Transports qu'on a amenés et qui vont avoir des comment ils appellent ils ont des gratifications au niveau de Aaron Printing mais c'est les cadres du ministère des Transports qui sont là tout ça c'est pas ça le problème et moi je peux même comprendre puisque c'est une directive de l'UEMOA qui exige que tous les pays la sous-région du pays en tout cas les pays de l'UEMOA aient un permis biométrique ça je peux comprendre mais le problème c'est que pour le cas du Niger comme l'a dit Hussein il y a une investigation de la Halcia qui a sorti en tout cas des éléments assez troublants. Et pour moi, il ne sert à rien de se préciser, selon moi. Bon, j'imagine que peut-être que ce sont les conventions qui ont été signées par, avec Harun Printing qui fait obligation. L'État ne veut pas tomber dans les travers de l'affaire africaine. C'est trouver dans la situation de devoir rembourser, voilà, parce que Aaron Printing dédommager plutôt. C'est tellement que dans les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement, il est dit que euh, le, en tout cas la confection. En des cas de rupture peut-être. Non, pas même de, la confection des permis biométriques après la signature du contrat commence six mois après par exemple. Bon, si on arrête, on dit qu'on va attendre que l'enquête soit finie. C'est vrai que l'État a pris peur peut-être, mais pour moi, il ne servait, il servait à rien de, se préciser. C'était dans l'intérêt non seulement de Harun Printing, mais aussi de l'État d'arrêter d'abord que tout soit clair. Parce qu'il paraît qu'il y a des agents du ministère des Transports qui ont été entendus par la gendarmerie. Mmh. Vous comprenez mmh. Donc, pour que les choses soient assez claires et limpides, parce que les Nigériens ne sont pas contre le, premier. Je vous dis que c'est une directive de moi En Côte d'Ivoire, ça se fait partout, ça c'est en train Sénégal Voilà. Mais, euh, étant donné que les conditions dans lesquelles cette affaire a été goupillée sont troubles, il fallait attendre que tout soit clarifié. Maintenant, quand tout est clarifié, bien sûr, on a ramené ça à 2500, c'est vrai, c'est bon, euh, ça peut aller, on peut, accepter, mais au moins, attendez que toutes choses toutes les choses soient éclaircies avant de reprendre. C'était ce que les gens demandent. Aujourd'hui, l'ALCIA est dans une situation difficile. L'ALCIA joue sa crédibilité. Le prochain point de presse que l'ALCIA va faire, je ne suis pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'affluence. Je ne suis pas sûr que des gens soient, en tout cas, intéressés à écouter l'ALCIA. Ils vont dire, mais non, mais. De toutes les façons. Ils vont dire, mais l'ALCIA, vous voulez faire un point de presse, mais. Moi, ça me, ça me finit Mais à quoi ça sert votre point de presse Oui, d'accord, on a, on a trouvé ça, on a trouvé ça. Mais ça sert à quoi en conclusion Vous voyez Et c'est un désaveu pour le président de l'Alcia. Parce que il a ressorti un communiqué réactualisé quand la société a, repris ses activités. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, et comme l'a dit Hussein, on joue en tout cas la crédibilité de la Halcia. Parce que moi, j'avais craint qu'à un certain moment, le président de la Halcia puisse démissionner face à cette situation-là. Parce qu'il dit que le dossier a été transmis au niveau de la justice. Donc vraiment, je pense qu'il il faut faire extrêmement attention quand une institution assez respectable comme la Halcia mène des investigations et qu'elle sort des conclusions par rapport à quelque chose de bien déterminé, un département bien déterminé, si ce département... On doit aller jusqu'au bout avant de, Oui, oui, quand on a suspendu là, on attend que les choses soient... C'est des cantes, après on reprend. Mm. C'est ça le bon sens. Mm. Juste une parenthèse pour terminer. Hein. Euh, on se rend compte que à un certain moment, euh, le Niger se trouve partant d'un contrat avec certains partenaires, mais que dans les clauses, souvent, ces clauses sont contraignantes et que euh, souvent, ça pose quelques problèmes pour le Niger. Euh, je donne un exemple, le cas de, en dehors de l'Afrique, récemment, euh, la réserve des termites était Thomas avec l'exploitation pétrolière. Il semblerait que, en tout cas, selon l'accord avec la CNPC, la zone voilà, d'exploitation du pétrole ne doit pas être une réserve, ne doit pas être classée. C'est pour justement faire face à cette situation que le Niger a dû accepter de déclasser une partie de la réserve. Oui, mais justement, euh, malheureusement, malheureusement, le problème qui se pose, c'est à ce niveau cest C'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment, des, mesures préventives. Oui, mais justement, c'est parce que souvent, les gens qui peuvent analyser en profondeur, parce que quand le partenaire vient, le partenaire, il a fait un travail technique, mais en mettant souvent des pièges dedans. Mais quand vous amenez vos techniciens à côté qui ne savent pas déceler les, les, les, embûches, mais bien évidemment, vous allez tomber dans le piège. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive le plus souvent parce que les gens prennent les choses à la légère. La personne quitte l'Occident avec des juristes calés qui l'ont monté le, le, le comment dire euh, le dossier. Il vient il négocie sans prendre le soin de lire, de comprendre mot par mot ce que ça signifie, les contraintes des mots, vous signez, sans vous en rendre compte. Mais après, quand vous voulez revenir là-dessus, bien évidemment, on va vous souligner les mots là pour dire, voilà, les contraintes. C'est ça qui s'est passé avec Africa. Mm. On a rompu de manière unilatérale le contrat. Et en fin de compte, ça a rattrapé le pays. Parce que dans les Parce clauses, que tout on n'a pas pris soin d'associer certainement des techniciens pointus, des experts qui sont capables de déceler les contours de chaque mot dans un contrat, dans une clause donnée. Garamadou euh. Oui, vous savez, quand, quand des, des, des, en tout cas des, des firmes internationales viennent dans un pays, <coughs> elles viennent pas pour faire du enfin du c'est pas de la philanthropie qu'ils viennent faire c'est pas pour venir faire la c'est pour chercher de l'argent et donc quand on signe comme l'a dit Hussein il faut qu'on fasse extrêmement attention parce qu'effectivement pour Tintoumala il y avait une clause le Niger ne peut rien faire hein. c'était écrit que le contrat prévoit l'extension du site de forage jusqu'à tel kilomètre. Et que la zone, la zone ne devrait pas être une zone classée. et on se rappelle que la, classification même de cette réserve est intervenue après euh, euh, quelques années après en tout cas les contrats signés avec CNPC c'est en 2012 que la réserve a été classée voilà 2012 la réserve a été classée alors qu'il y avait déjà ces, contrats avec la CNPC donc c'est à dire que euh, comme l'a dit Ousseini, il faut que il y ait des gens aguerris c'est-à-dire on ne signe pas des contrats comme ça à la volée, dans la précipitation. Non, on attend, on étudie. Comme vous savez que eh, eh, eh, un contrat a été signé avec les Chinois, eh bien en 2012, vous faites attention de ne pas classifier cette partie-là. Puisque sachant que vous avez signé un contrat, vous dites, ah non, attention, il y a un truc avec les Chinois qui fait que la partie là, elle est dedans. Donc, même si, on, en tout cas, on, on considère comme un espace protégé, c'est à partir de ça, ça, ça. Vous savez le problème, à la fin, je vais conclure avec ça. Le pétrole là même s'il est dans un cimetière là. On déplace. C'est ça le problème de ce monde-là. Le pétrole est tellement précieux. Si on trouve du pétrole au cimetière là, au cimetière si on trouve du pétrole là, ah, le cimetière va être déplacé. <laughs> Parce que le monde du capitalisme là, il est sans pitié. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous, vous comprenez là. Bien. Partout à du pétrole, je vous ils vont forer. Bien, fin du forum d'aujourd'hui, nous étions accompagnés de nos confrères Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste freelance, présentation à la sainte Mamadou, euh, la technique assurée par Issa Lawali. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes Demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi le forum en Hausa et dimanche en Zarma sur la restauration des terres dégradées au Niger.